ravi de vous retrouver sur ce grand rendez-vous hebdomadaire des jeunes, une production spéciale du studio Kalangu pour les jeunes. D'habitude à la fada on papote avec des jeunes nigériens sur les thématiques qui les touchent. Mais dans ce numéro, nous avons profité du 4e congrès de l'Union panafricaine de la jeunesse UPJ qui se tient à Yamé du lundi 15 au mardi 16 novembre pour mettre la main sur nos jeunes amis venus de plusieurs pays d'Afrique centrale et euh, d'Afrique de l'Ouest. Voilà, la situation sécuritaire des pays du Sahel et les nombreuses menaces qui pèsent sur cette zone font quotidiennement le tour des médias. Mais l'une des grosses questions qui revient chez nous les jeunes, c'est la gestion de ces crises qui fragilisent nos pays, ces conflits. Comment gérer au mieux cette situation sécuritaire Quelle pourrait être le rôle des jeunes dans la résolution des conflits ou encore l'instauration de la paix. C'est pour tenter de répondre à ces interrogations et à bien d'autres que nous avons invité nos amis de l'Afrique centrale, des structures vraiment des jeunes qui ont des expériences pour qu'ils les partagent avec nous. D'ailleurs, dans un article de juin 2021, le magazine ONU Info revenait sur les propos du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale, François Lancelifal. Il disait, je cite, La dynamique sécuritaire dans les pays limitrophes du Tchad, y compris la Libye, le Soudan et la République centrafricaine, ainsi que les développements liés aux activités des groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, pourraient affecter négativement la dynamique interne au Tchad. Nous avons avec nous quelqu'un qui pourra nous en dire plus. Euh, je rappelle à nos auditeurs, euh, la fada c'est aussi la musique, la rubrique qui sera l'affaire de Miss Londi et la chronique présentée par Olivier. Top, c'est parti. la FADA, cette FADA elle est spéciale. Nous avons avec nous des jeunes de plusieurs pays africains. Ah non, Brninya mai euh, hôtel Yo na muka dora euh, FADA tamu. Zoro euh, Zarafilou. Présent. Il est le vice-président du CNJ Burkina Faso. Ça va C'est ça, ça va bien. Tu vas bien Merci beaucoup. Donc le Burkina est représenté. C'est ça. Abakar Djingaya. Lui, il est le président CNJ Tchad. Bien sûr. Ça va Ça va. Tu vas bien Ça va, ça va très bien. Merci beaucoup. Bienvenue euh, sur Tous à la FALA. Merci, merci beaucoup. Nous avons euh, notre dame, Pamela Audrey Derome, vice-présidente UPJ. Félicitations. Merci beaucoup. Et euh, présidente CNJ Centrafrique. Nous avons avec nous notre ami de la FALA Rachid Awal, eh, Il est le secrétaire exécutif de Afrian, Afrique de l'Ouest et du Centre. Chacun me parle un peu de la situation sécuritaire de son pays respectif. On commence par le Tchad, à ma gauche. Merci euh, de nous avoir accordé la parole et donné cette opportunité de parler des questions sécuritaires hein, de mhm. nos pays respectifs. Comme vous le savez, le Tchad est un pays euh, sahélien et donc euh, une grande partie de son territoire est désertique. je veux dire par là que cette partie du territoire est peu occupée par la population. Euh, du coup, ça donne l'impression que pour ce qui est des problèmes sécuritaires, euh, il y a peut-être des soucis. Et aussi, il faut dire que le Tchad euh, est en période de transition politique mm. parce que notre président a trouvé la mort pendant un combat. Voilà, donc du coup, c'est ce qui fait que le pays, du point de vue sécuritaire, a peut-être des soucis à se faire, mais dans les faits, euh, il y a quand même une paix relative parce qu'il n'y a pas de, guerre comme euh, on l'entend dans d'autres pays, mm-hmm. des, des, agressions au niveau des villages et autres, tout ça. chez nous. Euh, j'annonce à nos auditeurs quand même qu'il y a la Mauritanie qui vient juste de nous rejoindre avec son président des jeunes. Ça va, vous allez bien Bonjour, merci, ça va très bien, Le nom c'est Le nom c'est Mohamed Yahya Talibrahim et je suis le président du Haut Conseil de la jeunesse en Mauritanie. Ok, soyez le bienvenu sur tout ça, la FADA. En Mauritanie, comment ça se passe euh, La Mauritanie, euh, franchement, est un pays relativement euh, stable. C'est un pays très stable de la sous-région, heureusement. Nous avons une expérience très intéressante par rapport au processus que la Mauritanie a adopté mhm. pour déradicaliser les jeunes dans notre pays parce que en 2005 euh, et en 2007, on a eu des attentats qui ont euh, coûté la vie à, plusieurs militaires mauritaniens qui étaient sur le front et aussi à des étrangers qui étaient euh, des touristes en Mauritanie. mais après, il y a eu un processus très intéressant qui est aussi très salué par beaucoup d'analystes et des experts dans la question de la paix et de la consolidation de la paix et aussi de la lutte contre l'extrémisme violent des jeunes à savoir nous avons euh, euh, donc euh, mené un dialogue qui n'est pas très loin de ce que vous faites, mais vous le faites dans le cadre politique. Nous, on a mené un dialogue avec les extrémistes, avec les détenus qui se sont déjà radicalisés. Donc, c'était un dialogue mené par des ulamas, des hommes religieux, entre, entre de guillemets, et aussi avec les personnes donc influentes qui, ont, qui sont très respectées et que euh, le pouvoir a voulu euh, à l'époque donc mener ce, dialogue avec ces jeunes-là pour les convaincre que les idées qu'ils ont adoptées, sont, euh, pour lesquelles se sont investis pour tuer, ne sont pas, c'est-à-dire les bonnes idées. Et tout, presque l'ensemble des, jeunes qui étaient radicalisés, euh, radicalisés qui étaient euh, donc vulnérables par euh, étaient chassés par les groupes pardon étaient utilisés par les groupes donc terroristes ont tous revenu à l'état normal et l'État les a aidés à l'époque avec des activités génératrices de revenus pour, pour qu'ils se réinsèrent à la société et deviennent des citoyens actifs. Ok. Pamela Oui. Parle-nous de la situation centrafricaine. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci mhm. pour euh, l'occasion offerte. Je, dirais qu'en République centrafricaine, nous sommes en, phase peut-être de sortie. j'aime être positif. Donc, euh, pour dire que euh, nous traversons des moments difficiles, nous traversons la crise encore en République centrafricaine. Parce que dans certains coins de la République, malheureusement, la population et la jeunesse est, encore prise en otage par euh, ces malfrats, par ces terroristes, par ces rebelles qui, euh, voilà, empêchent l'épanouissement des jeunes, qui ne veulent pas voir les jeunes aussi euh, émerger et bénéficier de leurs droit le plus légitime, voilà, d'aller à l'école et, de bénéficier de, de tout ce que les autres jeunes ont eu droit. Alors, nous, nous travaillons et j'aimerais ici saluer, hein, saluer l'engagement de la jeunesse centrafricaine parce que euh, c'est presque euh, plus de 30 ans qu'on est dans ça, on est dans cette crise-là. Mais il y a y a, y a, eu un engagement, un engouement de sortie de crise. Et les jeunes centrafricains se sont mobilisés, mais fortement mobilisés, pour se dire stop. Demain, on va revenir hein, sur ces actions. Donc, on va au Burkina alors. Alors, merci beaucoup pour l'opportunité. Il faut dire qu'au Burkina, actuellement, euh, le président du Faso a déclaré un dieu national. Mhm. Parce qu'avant-hier, nous avons perdu 72 soldats sur le chemin de bataille. Nous sommes l'un des rares pays du Sahel où presque chaque jour nous avons des attaques. Nous avons des populations qui sont content de quitter leur village, de quitter les locaux, des enfants qui sont des orphelins, des gens qui sont obligés de quitter les localités parce qu'ils sont assaillis par des personnes, des individus sans foi ni loi qui sont là pour terroriser la population. Nous sommes là avec une population meurtrie, une population qui a peur, une population qui a peur d'être attaquée à tout moment par ces individus. Et la situation nationale n'est pas favorable à cela. Donc pour le moment, le Burkina Faso, nous sommes en deuil. Mm. Nous sommes toujours assaillis par ces attaques et nous sommes en train de, voir comment parer à cette situation. D'accord. Rachid, je finis cette question avec toi. Euh, la situation au Niger, Rachid Awal du Niger. Alors, merci beaucoup, Rabi. Permettez-moi d'abord de, vous raconter une petite anecdote. Quand nos amis africains venaient à Niamey, beaucoup avaient peur en fait. Et ah tenez-vous bien, il y a pratiquement chez moi, il n'y a que des grands événements qui se passent à Niamey dans le congrès de l'UPJ. Donc on a reçu beaucoup d'invités et avant-hier je, circulais avec euh, un jeune, un jeune africain. Il me dit mais attendez, moi je m'attendais à ce que je vois. Qu'on puisse même pas circuler dans la ville, tout ça, oui. je lui dis mon frère, tu peux circuler 24 heures sur 24, et rien ne va t'arriver. Donc c'est juste pour dire que la situation sécuritaire, c'est vrai, on en parle, mais moi j'allais dire que c'est surtout au niveau des zones frontalières, au niveau des villages qui sont environnants entre le Mali, euh, Algérie, un peu vers Tchad, Nigeria. Donc je me retrouve très sincèrement dans tout ce que mes amis, les jeunes des, des G5 Sahel disent. Donc je pense qu'on est quand même confronté à une situation. On n'est pas en guerre. Parce que la guerre, il y a beaucoup d'affrontements, mais je crois qu'on n'est pas encore en guerre. Mais il y a des, des, des, des zones d'insécurité pour des bandits ou des bandits père. Je crois que quand on parle de bandits, les bandits sont présents partout. C'est vrai, il y a des fois où ça dégénère, il y a des grosses pertes. Mm, d'accord to amana mana fara kun de da hira da muke tare da wa'annan matasan kowanne a cikin y a cikin su ya ba mu eh, situation kinsu mi ke faruwa en centrafrique Tagai, abin da suke ciki abubuwan daga ko'ina suke hito musu shi na chad ya yi zance bisa kan zaɓe da ake nan shirye-shiryen zaɓe da ake nan gayi abin yana rikita musu eh, ƙasa tasu shi na burkina faso shi ma ya yi zance bisa kan duka har-haren da ake kai musu yanzu kan mu ci gaba da wannan on va aller euh, avec la rubrique de dondi mujimi da waye hira et on se retrouve juste après avec nos jeunes de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Si Blaza

Avec vous, Ristadandi. Yes, <laughs> T-Blaza comme on dit. Euh, n'est-ce pas T-Blaza que j'ai connu au sein d'une formation Alors, ce qu'on va faire, T-Blaza, aujourd'hui, on t'appelle pour permettre à Tawa de s'exprimer sur cette émission parce que le studio Kalangu, c'est aussi la région de Tawa. Alors, normal, c'est tout le Niger qui te kiffe à travers donc euh, ce numéro et aussi le monde entier à travers le site du studio Kalangu. Parlons de T-Blaza. Qui se cache derrière T-Blaza il est Abdel Nasser Yakuba. Abdel Nasser Yakuba Oui, il est né en 1989. Ok. Donc, euh, j'ai commencé dans une formation appelée RSK. Ok. Et dans le temps, donc, euh, j'ai volé aussi dans Niflo. Ok. Maintenant, comme l'artiste euh, a beaucoup d'histoires à raconter, il a beaucoup de choses à dire, quoi. Et raison pour laquelle j'ai décidé, donc, effectuer mon album solo, okay. auquel je n'ai pas encore titré, mais le titre viendra de l'avenir avec la sortie des, des sons du, lancement, Inch'Allah. D'accord, super. Parce que vous faites cette rubrique permet aux jeunes de te cerner en 5 minutes. On sait euh, déjà en quelle année tu es né, on sait aussi comment est-ce qu'on t'appelle, hein, c'est-à-dire ton vrai nom. Alors on va parler un peu de tes débuts, de quand est-ce que tu as commencé le rap, mon ami. Tu te rappelles oui, je me rappelle. Ok, <laughs> super. J'étais en classe de 6e, je, venais chez un ami là. Ok. Il s'appelle Papé là, baron de la guerre. D'accord. Donc, euh, je, je l'ai trouvé en train de répéter un son là. Je mhm. me rappelle bien même du son. Ok. <laughs> Donc, il a dit, est-ce que je peux faire quelque chose Je lui ai dit, bon, tu me passes euh, ton parti, là, je vais essayer. Et donc, euh, j'ai posé là-dessus, il a dit, bon, on va partir ensemble. Donc, à partir de là, on a créé le groupe Esclan. Esclan avec donc Baron de Lader, que je connais très bien d'ailleurs. Oui. D'accord. Après maintenant, on va parler du parcours en question, n'est-ce pas, du combattant. De Esclan, tu as embrassé, euh, n'est-ce pas, une autre formation. Ok, ils t'ont souhaité la bienvenue, vous avez euh, constituer le groupe ensemble. Je parle de Niflo, parce que nous, c'est surtout dans Niflo qu'on t'a connu, mon frère. Parlons de cette formation dans, la, dans laquelle tu as évolué. Oui, justement. Et en tout cas, Niflo, on était vraiment des frères soudés, collés tout le temps. Les inspirations, ça vient, on cogne, on, lance vraiment. C'est grâce à Niflo qu'aujourd'hui, je suis véritablement connu, quoi, au fait. D'accord. Alors, Niflo, mm. où ils sont où les autres ils sont là, ils sont là, ils sont en train de bosser aussi. D'accord, super. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, le, pourquoi, n'est-ce pas, de cette carrière solo Et la carrière solo, vraiment, c'est pour parler de ma vie, puisque vous savez que quelqu'un qui raconte son histoire, si tu approches quelqu'un pour parler de ton histoire, il ne va pas parler euh, concrètement de ton histoire, puisque c'est toi qui as vécu l'histoire. Mhm. Vous voyez un peu, non voilà, Quelqu'un d'autre ne peut pas parler de ton histoire. Super. Donc c'est pour cette raison que tu as préféré raconter ton histoire seule. Oui, mon histoire, c'est le fait que j'ai vécu dans la vie et ce que je suis devenu avec le temps, tout ça là. Voilà, c'est un peu ça quoi. D'accord. Donc on va parler de ton histoire dans un deuxième angle pour l'instant. Nous sommes à la fin de cette première partie et j'espère que les jeunes ont retenu au moins quelque chose de l'artiste Blaza. Alors l'instant est solennel, l'artiste exprime c'est une minute de temps d'antenne qu'on te donne pour donc dire tout ce que tu as au fond de toi. t Blaza, il est là, il rap pour le pays et on dit qu'il est vraiment quand l'artiste avance et tout un pays qui avance. Et donc, on a besoin du soutien de tous les fans hip-hop nigériens, de tous les grands qui peuvent soutenir l'artiste jusqu'au bout, que l'artiste lui, c'est ce qui vit à lui. Donc, il s'agit juste de l'épauler et l'écouter. Et Inch'Allah, tout ira bien. On fera la fierté de notre pays. Et je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Merci Biga Paris. Spécial remerciement au studio Klango pour ce qu'il fait pour, les artistes du monde entier, il y a d'autres qui se trouvent quelque part dans le monde, c'est toujours des Nigériens. Donc merci euh, vraiment pour ce qu'ils font de nous. ils nous aident à grandir, à être reconnus sur le plan international, si je peux le dire. Tiblaza, très très prochainement, quand tu seras à Djamé, on va te recevoir dans les studios Kalangu en chair et en os. La machine prend congé donc de vous, mesdames et messieurs. Rendez-vous demain avec Tiblaza. On revient à la fin d'aujourd'hui. Euh, il est question de la situation sécuritaire en Afrique centrale et au Sahel partage d'expérience des jeunes. Comment ça se passe en Mauritanie Comment ça se passe en Centrafrique Comment les jeunes ils gèrent ces situations À quel point ça les impacte Dans quel domaine ça les impacte On est là-dessus. On revient au Tchad. Cette situation de crise, comment ça impacte les jeunes Vous savez qu'en matière de la question sécuritaire, les premiers acteurs, ce sont d'abord les jeunes que ce soit au sein des groupes armés, que ce soit dans les rangs de, de, l'armée en tant que telle, l'armée d'un pays, ce sont toujours les jeunes qui sont engagés. Et du coup, euh, les grandes pertes en vie humaine concernent euh, beaucoup plus euh, les jeunes l'impact il est réel. Cela euh, crée également des situations, en tout cas de désarroi, quant à la responsabilité des jeunes par rapport à leur avenir et autres. Vous savez que quand il y a des situations de crise, d'insécurité et autres dans une localité, les enfants ne peuvent plus aller à l'école les enfants ne peuvent plus vaquer normalement à leurs occupations parce que les gens cherchent à migrer vers des villages où il y a un peu de sécurité. Ah, donc euh, l'impact, il est réel et cet impact est du point de vue social une gangrène. Donc euh, ces impacts sont euh, à, prendre au sérieux socialement parce que ça impacte la société. On va passer, on va en Centrafrique. Euh, merci. Euh, tout à l'heure, euh, hum, Pamela, tu parlais vraiment des jeunes qui étaient vraiment touchés. Mais dans quel secteur on pouvait le sentir le plus Malheureusement, dans, presque hein. tous les secteurs. Mais je dirais beaucoup plus au niveau de l'éducation, parce que quand ça commence à tirer, et d'ailleurs la majeure partie des préfectures à l'intérieur du pays, il n'y avait pas d'école les, les, écoles ont été occupées par les groupes armés parce qu'ils faisaient de, des centres, des écoles, euh, leur base. C'est là ils s'installaient. Et donc, ça ne donnait pas, ça facilitait pas aux jeunes et à la, à la population, la communauté, de pouvoir accéder facilement à, l'école. Mais ce que j'avais voulu souligner tout à l'heure était... Euh, l'engagement, l'engagement des jeunes centrafricains eux-mêmes à vouloir euh, euh, résoudre ce problème. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons saisi l'opportunité de la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour jouer notre rôle en tant qu'acteur dans la résolution de la crise chez nous. Alors, euh, nous avons entamé beaucoup de procès, des activités des procédures pour aller rencontrer même les groupes armés, ceux qui sévissent dans, à l'intérieur du pays. Ah oui. Et, oui, oui, je faisais même partie de l'équipe. Nous sommes allés rencontrer le, le, bon, je voudrais pas euh, euh, le mettre en valeur ici, ce n'est pas l'occasion pour moi, mais euh, euh Ali Daras et certains d'autres chefs rebelles influents de la République centrafricaine pour aller leur dire nous ce que nous pensons et que si eux, puisqu'ils se réclament des centrafricains, je pense que s'ils sont réellement centrafricains, ils doivent avoir ce sens-là de patriotisme s'ils ont des, choses à réclamer, à l'État. Ce n'est pas en privant euh, euh, les jeunes centrafricains de leurs mhm. droits. Zoromé euh, Zarafilou, cette expérience euh, centrafricaine, des jeunes centrafricains qui sont engagés, mais mhm. qui vont, qui rencontrent les, groupes armés, qui se déplacent, mm au Burkina. Mhm. Comment tu te vois par rapport à ça La jeunesse burkinabé oui, euh, il faut dire que nous sommes également dans la même dynamique parce que euh, euh, pour apporter notre contribution dans cette lutte, les jeunes se sont organisés. Il y a ce qu'on appelle les, VDP, les volontaires pour la patrie, qui ce sont des jeunes qui se sont organisés et qui ont qui sont allés volontairement pour s'enrôler dans l'armée et pour combattre ce groupe armé. Et rien que le mois passé, les jeunes de la région du, du, du, du, Sahel mhm. se sont organisés pour également combattre ces groupes armés. Vous dites que. Oui, oh, ça, c'est des milices, ça Oui, c'est des milices. OK. Voilà. Donc, pour dire que les jeunes sont, véritablement engagés euh, pour apporter leurs contributions pour résoudre son problème. Parce qu'on se dit que le gouvernement ne peut pas résoudre tout seul. Euh, il faut Mais les milices Oui. Ça marche euh, Oui, ça marche. Ça répond vraiment. Euh, ça répond aux réponses endogènes. Parce que, en fait, c'est quoi C'est le ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ces morts. Nous sommes fatigués de quitter nos locaux. Nous sommes fatigués d'avoir les hôpitaux, les écoles qui sont attaqués. Donc, on s'est dit quoi Il faut véritablement qu'on puisse s'engager. Autant mourir au front que de mourir comme un lâche. Ok, mais, le truc, là, la, collaboration avec les FDS, ça se passe comment Parce que ça aussi, c'est une question. Parce que là, quand on parle de milice, on, on voit quand même l'absence de FDS. Oui, euh, les FDS sont également sur des fonds. Mais en fait, le, le qu'on a fait, c'est quoi C'est que généralement, quand ils viennent attaquer, c'est peut-être une heure après que les FDS arrivent. Généralement. Comme dans les films, quoi. Comme dans les Désolé, hein, mais, mais, ça passe comme ça dans les films. on s'est dit, voilà, nous, on va s'organiser pour être d'abord le premier fonds de riposte. Dès que les FDS arrivent. Et dans plusieurs localités de la, du, du, Burkina, les gens se sont organisés comme ça. Et quand tu prends le Burkina, les 13 régions, presque les 11 régions sont touchées. Parce que toutes les régions sont touchées. Tu prends une région qui a peut-être 10 ou 18 communes, elle est maintenant à 2 ou 3 communes. C'est vraiment très déplorable et désolant. Et si on va attendre vraiment les réponses de l'État, on ne va pas s'en sortir. Non, mais justement, sur cette implication des jeunes, ici euh, au Niger. Mhm. C'est euh, d'ailleurs il y a l'une des situations relevées dans la stratégie de protection équipe humanitaire pays Niger 2019-2021 euh, élaborée par OCHA faisait cas d'enrôlement de plusieurs enfants et de jeunes de 13 à 30 ans par les groupes armés non étatiques euh, qui ont été signalés euh, par des autorités locales dans le département d'Abala. Et ça, il n'y a pas que là-bas. Euh, Rachid, je reviens vers toi. Vous êtes aux côtés des jeunes. Se positionne ici plus euh, quoi Acteurs, victimes Comment ça se passe à ce niveau Mon ami burkinabé parle de milice de VDP en Centrafrique et rencontre les groupes armés. Mais nous, nous agissons effectivement sur l'enrôlement. Qu'est-ce que nous faisons, nous Nous faisons des sensibilisations, nous conscientisons les jeunes pour qu'ils ne se font pas enrôler. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe on propose aux jeunes quelque chose qu'ils n'ont pas. Et c'est très facile, vu le taux de chômage élevé dans nos pays, que les jeunes d'une certaine catégorie soient enrôlés. Donc nous nous agissons sur cet aspect pour que les jeunes ne soient pas en relais, les sensibilisant, en les, les formant, en renforçant leurs capacités. Parce que ailleurs, quelque part, c'est qu'ils n'ont pas aussi ce renforcement de capacité entrepreneuriale où chacun pense qu'il faut que l'État fasse, il faut que je travaille ça, il faut que l'État donne. Alors que on a la possibilité de renforcer les capacités pour qu'ils puissent entreprendre. Et je crois que nous, à notre niveau, c'est ce que nous sommes en train de faire, les sensibiliser, les conscientiser et leur faire comprendre que pour avoir du boulot, pour travailler, c'est pas seulement l'État, c'est pas seulement les projets, mais c'est aussi l'entrepreneuriat. Et c'est sur ça que nous, nous sommes en train d'agir. Et aussi, et vous voyez, l'État est en train de mettre des mécanismes pour faciliter l'entrepreneuriat aux jeunes Nigériens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire parce que pour nous, c'est aussi une autre manière de lutter contre l'enrôlement de ces jeunes-là. Merci. matasan da suke tahiya kai har suke tahiya ma cikin garuruwan da inda ma ake wannan hare-haren ake wannan tashin hankalin su yi zance da su masu wannan tashin hankalin yan ta'addan ma da rebel kin duka suke zuwa su gane su su yi zance da su su yi zance bisa kan tahiyar kasar tasu kasar tasu a maido son kasa suna so su maido son kasa cikin zuciya kowa da kowa su a can burkina suka ce su matasa sun magashi sun gashi da shira su da kansu ma suke daukan makamansu suke nema su kare garuruwansu shi kuma rashidi nan ga nan niger shi kuma yi zancen duka avant de poursuivre cette émission euh, l'émission elle a une pause musicale je demande à quelqu'un ici de me proposer une chanson qui chante sur la paix en Afrique ou le Sahel Burkina tu me proposes quoi comme musique il y a un soldat qui vient de faire sortir un album un soldat qui a sorti un album, carrément. Oui, pour euh, encourager et motiver, c'est ça qui est en actuellement au Burkina. On va l'écouter et on se retrouve juste après sur tout ça à la fada. Le dossier c'est moi-même. Sioro Béatrice. Sioro Eli. Gulora la zizgo lam gadame. ya yala uzgo lam kietaka. Bulkimbi wa tera tondo tidwa songba. wa ne mamawa bamtega mambal mam la soraga. sodaga mamnyala sodaga sodaga mamnyala sodaga sodaga mamnyala sodaga sodaga silimana san yi fibifibi yeah yani kampiya pugulu oh yeah gendarme san yi libi, yeah yalafin pabazin yeah yeah police akɔg na tɔn vima yeah on revient à cette fada aujourd'hui. On parle de la situation sécuritaire en Afrique centrale et euh, en Afrique de l'Ouest. Là, il y a le Mali qui vient juste de nous rejoindre. Ça va Oui, ça va, merci. Le nom, c'est Moi, je suis Sidi Ali Oulbagna. Vice-président du CNJ président du CNJ au Mali. Sois le bienvenu sur tout ça à la FADA. Donc à cette FADA, nous sommes avec euh, Zoromé Zarafilou. Lui, il est vice-président CNJ Burkina Faso. Abaka Djangaya, président CNJ Tchad. Ongam Babé Giscard, CNJ Congo-Brazzaville. Pamela Audrey Derom, vice-présidente UPJ et présidente CNJ Centrafrique. Et Rachid Awal du Niger, lui, il est de Afriane. Voilà. On vient au Mali. Parlons de comment les jeunes, ils gèrent cette situation globalement, comment ils prennent, comment ils collaborent avec les FDS, comment euh, ils, ils se sentent, ils se positionnent. Euh, ils sont plus acteurs, victimes, ils vont au front comme au Burkina, ils sont dans la recherche de la paix ça en Centrafrique. Comment ça se passe au Mali euh, merci beaucoup euh, de nous avoir invité euh, invités à la FADA, même si le fort de la FADA, c'est le thé d'abord. Mais on ne voit pas le thé à côté. Donc, je pense que c'est. Je, pense J'étais plus occupé à vous chercher dans tous les je pense que c'est une, partie remise. c'est vraiment l'occasion de nous donner la parole ici. Mhm. en concernant le Mali, le, rôle et la place des jeunes mhm. dans le, sur les questions de paix, de réconciliation, de prévention. Aujourd'hui, euh, au Mali, c'est vrai depuis 2012, euh, depuis après la chute de la Libye, euh, qui a entraîné beaucoup d'instabilité dans nos différents pays et qui a connu au Mali le retour d'une, d'une, des Maliens de la Libye avec une armée qui, depuis un certain temps, nous sommes dans un conflit multidimensionnel et multiforme et mm. qui fait en sorte que... Mm les jeunes aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les jeunes sont, ils sont acteurs, mais ils sont aussi victimes. Vous avez tous les combattants des deux côtés qui se font face, que ce soit les mouvements armés signataires de l'accord, comme les forces de défense et de sécurité, vous avez des jeunes. Et donc ce sont les jeunes qui sont d'abord acteurs, qui sont aussi victimes. Mais je pense que euh, le, nous avons quand même euh, évité de pouvoir euh, aller, parce que quand vous voyez aujourd'hui, euh, la question du centre du Mali qui, est devenue la charnière de tous les jours, mm, qui, euh, à l'image de, la cohabitation pacifique qui existait depuis des siècles entre des communautés, se voit aujourd'hui en chaîne de défaillance et qui se font la guerre de, de, jour jusqu'à à, l'image de, de, raser des villages entiers de la, de, la, carte. Je pense que nous, nous sommes arrivés dans une atrocité euh, extrême euh, euh, du, non-comment, comme on le dit. Et je pense que les jeunes ne sont pas restés euh, en marche Les jeunes de la société civile ne sont pas restés en marche pour d'abord essayer de jouer le rôle, d'abord avec les mouvements armés, de voir comment il faut pacifier, comment il faut parler le langage de la jeunesse. Parce que vous avez les jeunes, ils ont aussi leur langage. Donc il était important que les jeunes puissent faire face aux jeunes pour parler le langage de la jeunesse. Et Pamela, euh, avec les jeunes du Sahel, ta vision, ton analyse, selon toi, comment est-ce qu'au Sahel, ta vision selon toi, comment est-ce qu'on peut mieux gérer cette situation qu'on vit présentement, selon toi, Pamela je pense que c'est, c'est, ce que je l'ai dit en ce qui concerne déjà la République centrafricaine. Ce modèle peut être dupliqué aussi au niveau du Sahel mais, mais je pense que les jeunes au niveau du Sahel sont déjà mobilisés et engagés à travers leur organisation des jeunes du G5 Sahel. Alors maintenant, c'est, euh, euh, cet engagement, il faudrait que cela se, traduise par les actions au niveau de chaque pays. Au niveau local, il faudrait qu'il y, ait, une coordination, qu'il y ait une fédération des actions. Si c'est, les jeunes doivent occuper des espaces de discussion.

Amis auditeurs et auditrices de la FADA, chers amis, bonsoir. Ce soir, comme la plupart des cas, nous allons parler de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Après sa large victoire sur Djibouti, le menant du Niger, l'équipe de football a fait un buzz positif sur l'étendue du territoire national et bien au-delà. Ensuite, ce fake news lié à la baisse du prix de l'essence a été très vite démenti par le ministre du Pétrole lui-même et certains internautes. Par ailleurs, c'est l'artiste nigérien Davido qui a fait plus de buzz cette semaine. Et c'est de cela que nous allons parler dans la chronique de ce soir. Le 17 novembre, c'était l'anniversaire de l'artiste. Et pour son 29e anniversaire, celui-ci a décidé de tenter le niveau d'engagement de ses fans. Et c'est là qu'il poste sur ses comptes Instagram et Twitter le message suivant. If you know I have given you a, hit song, send me money. Comme quoi, si tu sais que je t'ai fait danser, je t'ai fait chanter, eh bien, envoie-moi de l'argent. Avant de laisser son numéro de compte aux internautes. Eh bien, Quelques heures après des commentaires et des retweets, le buzz a pris et le compte bancaire de l'artiste a presque explosé si on peut le dire. Fin de la journée, 200 millions de francs CFA en quelques heures. Ouais, ce qu'on peut qualifier d'une force de frappe. Amis auditeurs et auditrices, au-delà du buzz, ce coup de poker est analysé par une internaute du nom de Nena Nwakama. Eh bien, c'est cette analyse que j'ai voulu partager avec vous. Nena a dit L'artiste a vendu ses mérites. Il affirme qu'il a été utile dans la vie de ses fans et ses amis et il les convie à valider cette affaire. Eh bien, c'est sur cela que nous allons terminer la chronique de ce soir. Belle soirée chez vous et surtout, prenez soin de vous. Merci infini à Nena Noakama qui a inspiré cette chronique. C'est aussi cela, les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Mungo de Olivier. da mu da wannan matasan kowanne ya yi zanci bisa kan yana za a yi wacce irin rawa ce matasa suke iya takawa cikin sauyi da canji bisa kan duka harkokin da suka shahi wani rashin tsaro a cikin kasashensu sun ce dai su za su zage mutse kuma aikin nan da su suke so a yi shi kuma za su tahiya inda ya kamata a yi inda ya kamata a shurare su don a shurare su kuma don a yi da su Amidu Lafada sai in ce a huta lahiya gobe za ku ci gaba da abokin aiki na don di shi kuma zahira tare da matasan Nijar bisa kan haɗin kai rawar da suke takawa cikin duk abin da ya shafi haɗin kai da kwanciyar hankali. Bye bye Amidu Lafada.